confusion gu pënd mi waree keroog bisu penc dara dootul umpe aka jaroon sóol bis te dina dikk nag kompaloo sosal gor kompaloo sàcc gor kompaloo tànc gor bés lay xaar te kii àtte ak ki ñee àtte àttekat bu mag baa ngi leen di xaar Monsieur le Président, Monsieur le juge, am réew bu fa justice manqué ña fay dund ñoo ngi ci jihaad ndax ku buur dëkkee tooñ ta nga nekk ci am sa salaire bi ñu gonflé moo la teree maanu xëppil yàlla li mu dig waay maanu yi buuru àddina amul te ku àttee ni la neex ëllëg doomu jeefu la neex monsieur le juge monsieur le président y a un problème monsieur le président maa ngi lay sant di la gërëm incha allah li nga wax rek la ñuy def je te raccompagne waa kii du soxna ba eh, waa soxna namm naa la de binta ci loo ne maa ngi nii rek boobu ba léegi maa ngi bëgg a ñëw bu ñu waxtaan waaye xam nga rek dama ñàkk jot réunion suba réunion ngoon xëy na fii la ko yàlla tuddee umpale woon dama bokk ci parti au pouvoir am ci ndombal tànk bu rëy nag waaw te yow sax dégg naa ñu ni dangaa bokk ci mbooloo takku et après jox leen sa carte ñoom ñu jox la seeni carte te loolu xaalis a koy def te yor naa ko waaw fexeel ba sa mbooloo mi nangu jënd gi rekk ma jox la xaalis xaalis ay doxal réew de Binta yow de dafa mel ne sama tur rekk nga xam moo tax nga woo ma waaye liy dund ci man umpale nga ko te mooy ngor gis nga ñun kenn duñu jënd gis nga fi ma bokk fi la ndaw ñi di amee valeur fi ma bokk fi la ndaw ñi di amee natt fi la notion yu baax yépp di tiitaroo te yéen nag seen yitte yépp mooy màbb ko gis nga fi ma bokk moo jëmbat yaakaar ci politique bu dal xel gis nga fi ma bokk dañoo engagé biir déedéet suux na gis nga li ma la sant soo ko defee soo paree nga dellu ci say valeur waa yow sax foo bokk xam nga jikko yi dañoo paan Sénégal nekk ci guddi gu bët setagul ku ma am ndey ku ma amul ndey ku mën sa moroom duma mu ne liggéey bu rey nag tax parti PUR juddu ngir bay ci waaram gis nga gis ma bokk fi la ndaw ñi di yaroo fi ma bokk fi la ndaw ñi di xamee fi ma bokk itam fi la ndaw ñi di engagé gis nga man PUR laa bokk te kenn du ñu jënd tontu wii de su jëmul woon rek ma gedd sama tur yaakaar doxandéem delloo naa la sa wàccuwaay yaakaar sa ñëw tay bi de wuute naag sa ñëw keroog lu xew du ma woon ma baax dëgër yaakaar judduwaat na <laughs> yaakaar réew mi dey ci ay valeur lañ ko nawee te valeur nag njiite ci gën a yell ma wax la nga jiitu te jub ñu niitu te ku ñu tànn cim réew war ngaa tànn jikko xam-xam yitam bu mu lëndëm bu lëndëmee gëlëmal te ku gëlëm bew nañu fonk suñu kàddu démb fàtte xaju fi kon nag nañu bootu ci PUR boole suñu doole ànd liggéey suñu réew PUR lañu amoon wax PUR lañu wóolu man PUR la suñu dal sama xel si c'est PUR si c'est PUR si c'est PUR on s'engage

donc nous tàcc bu baax de le doyen monsieur papsec. Seck bu eh va la s'il vous plaît. donc doyen papsec, doyen maximum de bruit s'il vous plaît. monsieur papsec. représentant des seigneurs du parti de l'Union du rassemblement. allez-y, amenez monsieur Pape. devant tes pieds, opportunité Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cher président du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Seydi wa Maulay, cher Mohamed Fassi à son nom propre et au nom du capitaine Mamchef Ahmed Tidjan, nos chers invités, nos chers invités venant de tous les coins et recoins du Sénégal, nous vous saluons chaleureusement au nom des seigneurs ici présents. Les seigneurs debout, debout les seigneurs du pur. Et voilà le pur avec ses seigneurs. En ces contextes de politique, en ces moments où la politique et les politiciens de ce pays ne nous donnent ni satisfaction, ni assurance, ni sécurité. On nous parle chaque jour de la hausse des prix de denrées de première nécessité, on nous parle des hôpitaux qui sont malades. Des hôpitaux, je ne dis pas des malades. Que peut-on espérer de nos malades Au moment où les personnes âgées prennent en charge leurs enfants âgés de plus de 25 ans peut-on parler en ces moments d'émergence dans ce pays Je me demande, est-ce que le pays est émergent La réponse, c'est non. tu te' roules c'est ces 25 ans que le président du PUR, Seyd Mohamed Moustapha Sy, 25 ans pour le parti, mais une cinquantaine d'années d'éducation. ñaar fukki at parti fukki at le président s'est soumis à, ses épreuves à ces épreuves à relever les défis de l'enseignement de l'éducation de la responsabilité de la personnalité responsabilité chez les jeunes personnalité chez les femmes ce que le président Mohamed Mohamed Moussa Fassi a fait de ses militants du PUR. damay ñaan ndaw ñi des juróom fukki at ñu ko ànd ak la président di ko guddil di ko bëccëgal mu yar ay nit ñoo xam ne tey am nañu juróom-ñetti fukki at ñu am juróom-ñaar fukki at mu yar ay personnes yoo xam ne tey penc moo dem dañu leen di déglu ñuy wax juma boo dem di combien d'imams sont ici présents voilà parmi eux on peut compter des centaines d'imams restez debout vous seigneurs restons debout nous tous se montrer nous tous, Seigneur, en premier plan, en premier plan, montrer à la société sénégalaise que l'espoir, l'espoir de ce Sénégal appartient à Seyyid Mohamed Moussa L'espoir de rebâtir rebâtir cette société, rebâtir la société sénégalaise, encadrer la jeunesse sénégalaise et rassurer les femmes. Rassurer les femmes. Seigneur, pare nous pour encadrer xale Seigneur, seniors nous pour nek devant xale yi nekk

L'oreille, l'oreille, l'oreille, l'oreille Merci L'aimez, les l'aimer Si c'est pur Je m'engage Merci. Si c'est pur Si c'est pur Tous ceux qui sont engagés, levez la main Levez, levez, levez ceux qui sont engagés C'est ah, ah. yes merci Régis nous continuons. merci Régis nous continuons. alors je veux faire une précision une précision la précision c'est quoi ce meeting n'est pas un meeting d'investiture exactement c'est un meeting pour célébrer les 25 ans du PUR donc nous avons xam ne nous et internet ñoom meeting d'investiture nous corrigeons parce que Big Meeting d'investiture, c'est un meeting pour fêter les 25 ans. Maximum de bruit, s'il vous plaît Merci pour la précision. Alors, Légui, Légui, allons continuer le programme. Allons continuer le programme. Gannaaw ba ñu les seniors di remercier bu doyen Pape Seck dañuy les jeunes le mouvement des jeunes du pur. mais DJ dama bëgg pas gungeel le mouvement des jeunes du pur ouais, DJ. la jeunesse pure la jeunesse pur. la jeunesse pure la jeunesse monsieur Habib Ndiaye. président de la jeunesse pure nationale. tu le maximum de bruit s'il vous plaît. merci s'il merci développement merci Régis donc dama bëgg meeting bi mu parce que c'est extrêmement important Nous le président du mouvement de la jeunesse pure monsieur Abim Ndiaye